Bonsoir à tout le monde, c'est Gorgi Samb colonel, euh, président du mouvement MATSA, un euh, mouvement en détachement à son de Un mouvement de jeunes qui prône la cohésion sociale, euh, qui a comme mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des activités de développement et la formation des jeunes leaders dans le département. Euh, sous la demande des élèves, donc après notre éminente synthèse euh, euh, en philosophie avec le professeur Sango aujourd'hui nous sommes là à l'amphithéâtre Lucie Moderne pour une deuxième synthèse en histoire et géographie avec l'éminent professeur Moussé Elaz Abdoulaye Fam qui a offert franchement donc euh, une synthèse euh, de renommée donc, à l'ensemble des candidats qui étaient présents aujourd'hui. Je pense qu'après avoir accompagné les candidats donc, euh, à travers notre première synthèse en philosophie, aussi la synthèse générale du professeur Songo au monument de la Renaissance. Donc, et cette synthèse en histoire géographie, je pense qu'après la BAC, Inch'Allah, le, mouvement Matsa va encore accompagner les candidats donc avec des formations en informatique, des zones d'orientation et des formations pour les aider à mieux s'orienter donc pour des formations donc de qualité. Bon, en tout cas, nous remercions nos partenaires, donc à savoir euh, Sénégal, qui est une euh, entreprise donc euh, de voyage euh, qui aide les élèves, les étudiants à avoir des prescriptions. Voilà, pour aller étudier à l'étranger. Je pense que nous remercions Moussa Mbaye, donc le PDG, aussi et Madame Mbaye, donc Sénégal, et l'ensemble des solitudes au niveau de l'Afrique. le mouvement Matsa s'engage à accompagner la population rufusquoise pour des projets pertinents donc innovant pour mieux servir notre population. Je mm, suis Khalifa Babacar Gueye nekk secrétaire général du mouvement de Tahaw Suñu Askan. Le mouvement de Tahaw Suñu Askan moom defe naa de euh, ko qui rek mooy que ni pour Tahaw suñu askan. donc si nee taxaw askan da ngay la a am euh, possibilité di fekkisee askan bi ci li nga xamante ne Donc c'est la soxla le mouvement bi à chaque fois muy jéem a fekkite ak askan bi si lépp li nga xamante ne nii ñoom soxla nañ ko voilà donc liggéey bi ñuy liggéey euh, booy xool dafay yëngatu le plus souvent ci domaine yëpp fànn yëpp mais yi si gën a fes jamono ji mooy fànn éducation li tax ñuy def éducation mooy que ni dañoo am suñu ay frères ay sœurs yoo xamante ne ni dañoo war a passer benn épreuve bu stratégique boo xamante ne ñu ngi koy tuddee euh, baccalauréat mu nekk fànn boo xamante ne nii voilà fi mu ñëwee dafa am lu muy représenté si suñu ay rakk suñu ay suñu ay mag aussi nekk na tamit euh, cadre boo xamante ne nii euh, bu fi xale yi nekkee dinañ fi gis seen bopp parce que li tax ñu fiy gis seen bopp maanaam mooy ñi seq mouvement bi daf si am ñoo xamante ne nii fa ñu war a jaar jaar nañ fa la ñu war a jàng jàng nañ ko donc dafay baax ñu ñëw partager ak ñoom benn benn expérience boo xamante ne nii ñun peut-être erreur yi nga xamante ne nii def nañ ko ñoom ñu éviter ñoom ñu éviter leen ko looloo waraloon tey ñu def li nga xamante ne nii mooy synthèse histoire géographie bi. indi ci benn professeur boo xamante ne ni képp ku ñëpp ràññee la mu di mu di mu di monsieur Fam donc ñu koy ñu koy euh, remercier ci taxawaay bi nga xamante ne ni am na ko tey